Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu. L'émission qui vous permet de trouver des éléments de réponse aux questions que vous vous posez au quotidien. Quelle contribution de la radio à la promotion de la paix au Niger est notre thème de ce soir. Le 13 février 2022, c'était la journée mondiale de la radio. Une journée instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO lors de sa 36e conférence le 3 novembre 2011. Depuis son invention en Italie par Guglielmo Malconi vers 1895, il y a donc environ 127 ans, la radio n'a cessé d'évoluer. Puissant outil de communication et d'échange, la radio reste aujourd'hui, selon l'UNESCO, le média le plus consommé. Quel changement la radio a apporté à la vie des populations nigériennes quelle doit être de nos jours la contribution de la radio dans la promotion de la paix au Niger pour euh, en débattre, nous avons le plaisir de recevoir euh, comme euh, invité M. Aboubakari Kiyokoudize. Il est journaliste formateur à l'école officielle de formation des journalistes au Niger, Liftik, ancien président du Conseil supérieur de la communication, qui avait une autre appellation, c'était l'Observatoire national de la communication. Il est par ailleurs écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Monsieur Aboubakari Kyokoudizé, bonsoir. Bonsoir. Notre euh, deuxième euh, invité est Monsieur Moussa Hassan. Il est le secrétaire euh, général de la coordination nationale des radios communautaires du Niger. Monsieur le SG, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, nous avons comme invité Suleiman Bra. Il est le secrétaire à la communication de la maison de la presse, Suleiman Bra. Bonsoir. Bonsoir Michel. Bienvenue à vous tous à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji. Avant d'entrer dans le vif euh, du sujet, suivons tout d'abord les avis de quelques auditeurs euh, sur ce qu'ils pensent de la radio et de sa contribution à la promotion de la paix et de la euh, sociale au Niger. Nous les écoutons au micro de Studio Kalangu. La radio, vraiment, elle est, elle est vraiment très importante, surtout dans le cadre de la sensibilisation du public, surtout le public rural. Si je ne me trompe pas, les statistiques disent que presque 80% de la population nigérienne est rurale. Donc, je pense que au Niger, vraiment, on a plus besoin de la radio que d'autres choses si vraiment on veut toucher directement cette population-là. C'est l'élément essentiel accessible aux citoyens, utilisable dans plusieurs langues, donc euh, c'est un moyen excellent pour pouvoir sensibiliser et contribuer à réduire les, conflits et les inégalités dans la société. Comme toujours, hein, la radio apporte sa contribution dans tout ce qui est d'actualité. Quand on parle au niveau communautaire aujourd'hui, il y a ces communautés-là qui n'ont ni télé, ni réseaux sociaux, mais ils ont quand même la radio à leur, côté pour leur apporter vraiment les informations nécessaires par rapport à tout ce qui se passe dans, la vie de notre, de notre pays. Donc la radio, on ne peut que dire qu'elle contribue à ramener la euh, à conscientiser euh, la population et à leur donner des orientations pour euh, empêcher surtout les jeunes à s'adonner à un certain nombre de vies comme nous sommes en train de le constater aujourd'hui. C'est une grande avancée dans un pays. Je salue toutes les radios communautaires, les radios urbaines. en tout cas, c'est une bonne chose. Les journaliste, on ne peut pas le payer. Tout celui-là qui est là pour vraiment de donner l'opportunité de parler, l'opportunité de dire ce que tu as à dire. Donc c'est une personne vraiment à, féliciter, à encourager. il faut le donner, il faut le doter, il faut le former. Parce qu'une euh, radio peut mettre euh, une commune ou bien un pays en danger à travers des fausses informations. Donc il faut toujours mettre euh, tous les moyens pour la paix et la cohésion sociale Monsieur Abou Boukari disait, journaliste, formateur écrivain. Aujourd'hui, que signifie la radio et qu'est-ce qu'elle représente pour la population nigérienne Merci euh, Michel. Je crois que les intervenants de tout à l'heure ont campé de manière euh, très opportune les contours du débat et les différentes interventions concourent justement de manière unanime hein, et à dire que la radio reste cet élément central de la communication. Dans nos pays euh, africains dominés par une culture de l'oralité, euh, dominés aussi par euh, une insuffisance en termes d'infrastructures de tous ordres, des pays marqués aussi par un fort taux d'illettrisme, par un niveau de vie très bas. Mhm la radio ne peut qu'offrir la solution miracle pour euh, la diffusion de tous les messages de communication. Je ne nie pas l'importance des autres médias, mais reconnaissant que la presse écrite n'est accessible qu'à une fine catégorie de la population, donc les gens lettrés, et qui chaque matin ou chaque semaine peuvent mettre la main à la poche pour s'acheter un journal, mm. sinon des journaux la télévision a, son poids qui est lourd. Euh, pour qu'elle soit présente, il faut beaucoup de conditions. D'abord, même l'accès au récepteur. Euh, mais, déjà, avant le récepteur, il faut que la couverture territoriale en termes de, réseau de diffusion puisse euh, être totale, ou en tout cas bah, ce qui est difficile pour des pays vastes mhm. comme, euh, comme le Niger. Euh, aujourd'hui, euh, même si peut-être les Chinois ont démocratisé en rabaissant les coûts des différents appareils de réception, le poste téléviseur reste quand même un investissement mhm. assez important pour un citoyen dans nos pays. Donc la solution miracle, si j'ose dire, c'est la radio. Mhm. Le poste récepteur aujourd'hui, vous l'avez un peu partout à moindre coût, à 3000 francs, à moins de, en tout cas à 5 francs maximum, mhm. vous pouvez disposer d'un poste récepteur. Avec deux petites piles qui vont vous coûter 100 francs ou bon, peut-être 200 francs, si, si je m'abuse, mhm. vous avez encore de quoi euh, faire allumer votre poste radio pendant bah, des, jours. Mais il y a aussi que la radio est votre compagnon partout. Mhm il n'est pas que, que, vous soyez euh, dans votre salon, dans un véhicule, mm-hmm. vous êtes au champ, vous êtes au bureau, il vous accompagne partout. Mm-hmm. Avec cet autre encore avantage, j'avais dit que nous sommes dans un pays ou dans des pays marqués par l'oralité, c'est que la radio vous parle dans votre langue. Mm-hmm. Euh, ou dans vos langues, parlons au pluriel, puisque chacun de nous est <laughs> locuteur de au moins euh, au mhm. Niger, chacun parle deux à trois langues en mhm. moyenne. Mhm. Donc, dans chacune des langues que vous comprenez, mais vous pouvez accéder à la radio. Et sans compter que par rapport à tout autre média, elle vous offre plus de marge de choix. Donc, euh, si tel programme de telle euh, euh, station ne vous convient pas, mhm. vous pouvez zapper, comme on dit, comme disent les jeunes maintenant, mais vous pouvez mhm. tourner votre bouton et aller là où vous pensez que mhm. votre compte y est et que vous pensez pouvoir vraiment hum, comprendre la vie de la nation. Là, vous pouvez vous animer, vous recréer, vous informer. donc, donc, on ne peut pas je pense qu'on peut peut-être dire que chaque média a ses spécificités, mais c'est sûr que ben, lié à des conditions qui sont les nôtres en Afrique, la radio reste pour de longues années encore mhm. le média le plus important. Merci beaucoup. Monsieur Moussassan, secrétaire euh, général de la coordination nationale des radios communautaires euh, du Niger. On se rappelle en effet, en 1999, le Niger s'est lancé dans une autre expérimentation de la radio avec sa première radio communautaire installée à Bankilare dans la région de Tilaberi. Aujourd'hui, selon la responsable des radios communautaires au ministère euh, de la Communication que nous avons interviewé à l'occasion de la journée mondiale de la radio célébrée le 13 février dernier, au Niger, nous avons actuellement 184 radios communautaires et sur les 184 radios communautaires que nous avons, nous avons 164 qui sont fonctionnelles comment fonctionnent ces radios communautaires aujourd'hui au niveau de nos différentes communes et les changements positifs euh, qu'elles apportent à la société. Merci euh, Michel. La radio communautaire, par rapport à son fonctionnement, on sait que c'est une radio de proximité, c'est une radio qui appartient à la communauté mhm. et c'est une radio sur laquelle eh, eh, tout le monde se retrouve, que ce mhm. soit eh, les langues de toutes les langues que vous parlez, que ce soit des âges, que ce soit les jeunes, les femmes, les vieux, tout le monde se retrouve au niveau de la radio communautaire, ça veut dire, que ça leur appartient. Mhm. et, le changement aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer parce que si on se rappelle des années 80 euh, euh, avant 99 qu'il y a eu la première radio communautaire, il y a toujours des conflits ruraux que euh, sur les radios on entend dans cette telle localité des éleveurs, des agriculteurs se sont entretillés à cause d'un chameau qui est rentré dans le champ ou à mhm. cause d'une vache qui est rentrée dans le champ. Mhm. Aujourd'hui, on n'entend plus parler. Moi, je pense que c'est mm. à partir de la contribution des médias mm. que eh, ces problèmes-là, ces conflits-là, eh, sont en train d'être résolus. Parce que y une le monde a... réduction, réduction significative, de cas. Vraiment. Mm-hmm. Moi, moi, je me dis que je n'entends même pas. Mm-hmm, puisque euh, les communautés, à partir de la radio, ont compris qu'ils sont les mêmes. Mm-hmm. Et qu'il y a des droits pour chacun. Que ce soit l'éleveur, que ce soit l'acteur, il y a les droits parce qu'il y a les couloirs de passage, il faut lui laisser passer. Il y a des points d'eau, il faut lui laisser passer. Et les sensibilisations, là, ont passé les médias. Et les médias ont fait en sorte que les comités, par exemple, euh, villageois de résolution de ces conflits, puissent aussi faire leur travail. Mhm. amener les gens à comprendre qu'il y a un, comité. Mhm. Dans le comité, c'est d'aller voir est-ce que le couloir n'est pas en train mhm. d'être serré. C'est en fait de, de, de, cela qu'il s'agit. Donc au niveau des radios communautaires, aujourd'hui, euh, le fonctionnement, ça reste toujours que c'est pour les communautés. Mm-hmm. Mais que peut-être quelque part, on va revenir là-dessus, mm-hmm. qu'il faut renforcer. Mm-hmm. Il faut renforcer en, sorte que ceux qui l'animent puissent être dans la capacité de mieux faire aussi leur travail, d'avoir aussi les moyens qu'il faut en termes de matériel pour faire bien leur travail, aussi d'avoir la contribution des, des, des personnes ressources qu'il faut les services techniques qui sont dans, la zone, les autorités, la mhm. contribution de tout le monde pour que eh, on puisse attirer l'attention de tout le monde et pour mhm. aller sur le même champ. Nous avons justement vu dans certaines localités, il n'y a qu'une seule radio communautaire et quand la radio est en panne, la population n'est pas contente parce que... C'est un problème. Merci beaucoup. Souleymane Brun, secrétaire à la communication de la Maison de la Presse. Aujourd'hui, peut-on dire euh, qu'au Niger, la radio est synonyme d'outils de paix et de bonne euh, cohésion sociale Merci beaucoup. Euh, en tout cas, on peut le dire parce que, comme l'a dit les le coordinateur, la radio a quand même joué sa partition dans la promotion euh, de la paix euh, au Niger. Mhm. Ces médias de proximité qui est accessible à tous a quand même contribué d'une manière ou d'une autre au développement euh, de ces pays, mais aussi à ce qu'il y ait un changement de comportement mhm. au niveau de la population. Donc, de ce point de vue, on peut effectivement dire que la radio a quand même contribué à la promotion de la paix. Mais c'est qu'il faut euh, quand même euh, relevé à ce point, Michel, mhm. que euh, il y a le, rôle de la radio en tant que média de proximité, un outil puissant d'information et d'échange, mhm. mais le rôle aussi des acteurs mhm. qui animent ces radios. Je parle aussi des journalistes et des animateurs. Parce que quand on parle, par exemple, en fait, des radios euh, puisque au Niger, il y a les radios communautaires et il y a aussi les autres catégories mhm. des radios, des radios communautaires et tout. Donc, on sait qu'au niveau des radios communautaires c'est des animateurs mhm. euh, qui les animent, et comme l'a dit le secrétaire général euh, de la coordination des radios mhm. communautaires, et que c'est des médias de proximité qui sont en contact direct avec cette population, euh, où vraiment les programmes, c'est avec cette population, les gens ou les populations ont quand même accès à ces médias donc, ils tiennent compte des réalités de chaque, euh, de chaque localité pour quand même tenir euh, leur programme. Maintenant, effectivement, euh, pour les autres radios aussi, on peut voir au niveau de, de leur programme, de ce qu'ils font. il y a des émissions, des programmes pour quand même vraiment contribuer à, ce qu'il y ait la paix, la cohésion sociale, l'unité, mhm. les vivre ensemble et c'est ce qui est important. Maintenant, les rôles. Euh, des acteurs, nous, en tant que journalistes, en tant qu'animateurs, on a quand même euh, euh, ces devoirs de respecter les règles que nous nous sommes nous-mêmes données, mhm. l'éthique et la déontologie. Mhm. C'est important parce que ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on doit se permettre en fait de dire ou de diffuser des propos, par exemple, qui vont attiser la haine mhm. ou bien qui vont engendrer qu'il y ait en fait des conflits. Donc ça, ce n'est pas en fait la mission ou le rôle d'un journaliste ou d'un média, euh, vraiment de créer des années ou de faire en sorte qu'il n'y ait pas quand même euh, euh, la paix. Et on a vu l'exemple avec la radio Mille Collines. Donc mm. c'est vraiment un outil puissant qui permet non seulement d'informer, d'éduquer, de, sensibiliser et de former, mais si on l'utilise quand mm. même de façon positive. Mm-hmm. Merci beaucoup. Justement, il faut d'ailleurs euh, rappeler que la radio, c'est la confiance était le thème de cette euh, onzième édition de la Journée mondiale de la radio célébrée le 13 février dernier, date anniversaire de la création de la radio des Nations Unies juste après la Deuxième Guerre mondiale en 1946. Cette journée est une occasion pour le monde entier de célébrer les valeurs et la joie qu'offre la radio en tant qu'instrument rassembleur de promotion du bien-être social, du développement et de la paix. Selon le président du Conseil supérieur de la communication, CSC, Dr Sani Kabir, les professionnels de la radio doivent renforcer cette euh, confiance. Mais comment y parvenir Écoutons le président du Conseil supérieur de la communication, Dr Sani Kabir, au micro de Studio Kalango. Pour que cette confiance soit renforcée, à mon avis, il faut simplement, je dirais d'abord que les professionnels respectent leur métier. À l'égard des destinataires qui sont des profanes et qui se fient à ce qui se dit à la radio, nous sommes dans un pays de forte oralité, où la radio, comme c'est un outil de communication prisé, donc ce qui se dit dans les radios doit être sérieux, sincère et traité avec professionnalisme. En un mot, respecter la charte du journaliste professionnel le respect de l'éthique et de la déontologie, et le traitement de l'information avec rigueur. On ne doit pas diffuser n'importe quelle information. Un journaliste sérieux, un organe de presse sérieux ne doit pas diffuser n'importe quelle information qui est colportée sur les médias sociaux. Je suis désolé, aujourd'hui, beaucoup de vos confrères, malheureusement, plus leurs sources d'information sur des rumeurs distillées sur les réseaux sociaux, alors que euh, aujourd'hui, les fake news polluent même les sources sérieuses d'informations. Donc le journaliste doit garder d'abord comme source d'information les canaux classiques les vérifier et diffuser l'information. Le journaliste, quelle que soit son obédience ou sa coloration politique, a une responsabilité sociale, celle de contribuer à la quiétude sociale. Monsieur Aboubakari Kyoko disait Comment amener aujourd'hui les radios du Niger à renforcer leur contribution à la promotion de la tolérance et de la paix dans ce contexte d'insécurité que nous vivons ces derniers temps dans la sous-région oui, la mission n'a pas changé fondamentalement. La radio reste la radio. Ces missions sont les mêmes de tout temps. C'est vrai que avec euh, l'évolution, euh, des préoccupations peuvent s'imposer euh, à tel ou tel moment. Euh, pour faire un peu d'histoire, de, un petit rappel historique. Vous savez, cette euh, formidable aventure des radios communautaires a commencé en mai 1999. Mmh. Moi, j'étais à l'époque directeur de la communication au de la communication quand euh, le directeur de la météo nationale de l'époque, Péa Sonam Also Idrissa, mmh et le directeur général de l'ACMAD, euh, un Algérien du nom de Mohamed Boulaya, mhm. était étaient venus me trouver avec le projet en dans leur tête de voir comment disséminer la radio à l'intérieur du pays, mhm. mais au modèle de la télévision communautaire. Mhm. Donc, installer juste des postes récepteurs, les postes solaires ou à manivelle, puisqu'il y avait les deux modèles à l'époque. Mais chemin faisant, euh, moi, je me suis, j'avais dit que au lieu de faire uniquement de la réception, mhm. pourquoi ne pas tenter aussi la diffusion Et vraiment, Dieu faisant bien les choses, il y a eu un heureux concours de circonstances entre mai 99 et décembre de la même année. Mhm puisque moi je quittais le poste de directeur de la communication pour me retrouver à la régulation, donc à l'ONC comme président. Donc mon idée de directeur, je ne pouvais pas la renier. Et donc euh, en juillet, j'étais président de l'ONC et mm. c'est comme ça qu'on s'est dit, au lieu de faire juste de la réception, on va tenter l'expérience de la diffusion. Mm. Bien entendu, le risque c'était euh, il y avait des menaces. il faut dire les choses. Euh, à l'époque, le gouvernement était très sceptique, mhm. puisque puisqu'on voyait mal la radio tomber aux mains de groupes rebelles, aux mains de groupes intégristes, ainsi de suite, mhm. dans des localités éloignées. Mhm. Je devais donner des gages d'assurance pour dire que non, le statut qu'on a prévu à ces radios, c'est un statut communautaire. Donc, c'est une radio qui appartient à la population, et qui établit son programme en fonction des préoccupations de la population. Mm-hmm. C'est vrai, eh, on s'est entendu dès le départ sur deux choses, et je crois qu'on a gardé ça. Mm-hmm. C'était d'exclure des programmes de ces radios la politique politicienne mm-hmm. et la religion dans le sens militant ou dans le, sens de proxélytisme. C'est des domaines qu'on avait estimés très délicats en milieu éloigné et qui, dans certaines communautés, peuvent opposer les gens les uns aux autres. Mhm. Donc, c'est heureux si, à cette date, cette ligne a, pu être maintenue. Mhm. Et dès le départ, on a insisté sur le caractère d'instrument de développement et de cohésion sociale de la mhm. radio. Notez bien la, notion de développement et de cohésion sociale, donc de paix. C'est ce qui a fait que vraiment les choses ont été ont bougé vite. Mhm. Parce que euh, j'ai cité trois noms tout à l'heure, donc euh, Monsieur M. Also, M. Bouboulaya, mhm. mais euh, bon, moi-même, mais il y a la quatrième roue qui allait nous aider à passer à la vitesse supérieure. C'était Mohamed Ben Amran, qui était l'économiste principal du Plut, mhm. Et son arrivée, son intégration dans le groupe nous a permis, dès le 14 décembre 1999, d'ouvrir la radio de Bankilari. C'était la première radio. et je crois, trois ou quatre mois après cette ouverture, j'avais reçu dans mon bureau une mission de Bankilare, mhm. venue nous remercier pour dire depuis que la radio est là, un certain nombre de phénomènes ont été observés mhm. par son action de sensibilisation. Et ils nous ont dit que au niveau de la consommation d'eau, tout simplement, mhm. les gens ont cessé de prendre, de boire de l'eau de mare et on a commencé à filtrer l'eau. Donc, ce qui est un gain pour la santé. Ils ont noté en 3-4 mois une augmentation de taux de fréquentation mmh. des structures sanitaires. Ça veut dire que la sensibilisation porté. Et autre chose que je n'oublie pas, euh, c'était une dame qui nous parlait pour nous dire que le vol de bétail avait cessé mmh. dans la zone par le fait de la radio mmh. ou avec son œil euh, euh, de radar euh, on voyait tous les voleurs anti guillemets. Mhm. Puisque dès que vos cabris sont perdus, vous passez un communiqué à la radio, dans un rayon de 30-50 km, ah tout le monde est informé, y compris peut-être le voleur, mhm. et lui, pour lui, donc, il y a le gendarme à ses trousses. C'est des témoignages vécus dès les, les 4 ou 5 mois après l'implantation de la première radio. Mhm. Et c'est une mission qui s'est dépêchée de Banklare pour venir à Niamey nous rapporter ces témoignages. Mm. Je les note, je ne vais pas les oublier parce que quand j'ai fait partager ces informations à la plénière de l'ONC, puis mm-hmm. aux autres partenaires, ça a été une espèce de un coup de fouet mm-hmm. pour dire bon, euh, si c'est le cas, on va vite. Mm-hmm. Au même moment, euh, euh, j'ai dit le politique était très sceptique et nous on avait donné l'assurance que non, ne pensez pas que la population méconnaît ses intérêts. Donc, si ses intérêts sont de garder la radio dans des proportions ou dans, des, dans une mission vraiment de, de, service public, de service communautaire, mm. elle veillera à ce que ça soit ainsi. Et j'ai eu à, rétorquer à un forum, c'est à l'international, hein, c'est à Bamako, je crois, en 2002, où on devait présenter notre expérience. Et c'était au Mali, je me rappelle parfaitement, mm. et pour dire que là où les gens pensaient qu'il allait y avoir des problèmes, on n'en a jamais eu. En tout cas, moi, jusqu'à ce que je quitte ces affaires-là, jusqu'à ce que je quitte l'ONC, nous n'avons été saisis d'aucune plainte en provenance des radios communautaires. Mmh. Et cet aspect de, de, paix sociale, la radio l'a démontré au pire moment des conflits, de rébellions et autres, et même maintenant avec l'insécurité, elle a continué à garder son rang. Euh, moi, en tout cas, à ma connaissance, euh, je n'ai pas entendu de plainte. S'il y a plainte, c'est peut-être au niveau des radios de la ville, mhm. privées ou publiques. Mhm. C'est de là que les gens ont, de temps en temps des plaintes par rapport aux prestations. Où il y a plus d'ailleurs de politique. Mais, de l'autre mhm. côté, très franchement, euh, la mission d'instrument de développement, la mission de paix sociale, de cohésion sociale a été, a été maintenue. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Voilà pourquoi, et puis dès le départ, le, schéma tracé, c'était d'avoir un développement équilibré de l'installation des stations de radio communautaires dans le pays. Mhm. Faisons en sorte que toutes les régions puissent marcher au même rythme. Mhm. Donc, euh, jusqu'à ce que je quitte, euh, la démarche était de faire le tour des huit régions. Mmh. On fait d'abord un premier tour, puis on revient un deuxième tour, et ainsi, de suite. En tout cas, sa mission de, de gardien de paix, surtout par la sensibilisation, passe. Merci beaucoup. Monsieur Kiyoko disait, je rappelle justement que vous étiez le président de l'Observatoire national de la communication de 1999 euh, jusqu'à l'année 2003. Donc, euh, c'est avec vous que nous avons commencé cette euh, expérimentation de la radio communautaire. Monsieur Moussa San, secrétaire général donc de la coordination nationale des radios communautaires du Niger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour renforcer cette contribution des radios dans le développement socio-économique euh, du pays, mais également dans le cadre de la promotion de la paix dans ce contexte euh, d'insécurité. Bon, avant de dire euh, ce qu'il faut faire, comme l'a dit Monsieur le Président, mhm. que c'est qu'il y a eu un, très bon départ pour l'implantation des radios communautaires. C'est mhm. le départ même qui n'a pas été faussé. Parce que pour toute chose, tant que le départ est faussé, c'est fini. Mhm. Et ensuite, moi, je passais quelque part j'ai trouvé un groupe de jeunes qui manipulaient leur portable. Et ils ont trouvé des informations sur WhatsApp. Ils disent Ah, on va attendre la radio. Mhm. voir Voilà, est-ce que l'information est vraie Ça, ça, ça, c'est important. Mhm. Et ensuite, euh, au niveau de, euh, d'une radio privée de Niamey, mhm. un journaliste m'a dit Mais Moussa, je suis étonné de voir que quand je prends mon micro, je tourne dans Niamey, c'est seulement ceux qui viennent de, des zones rurales qui acceptent d'être interviewés. Quand mhm. c'est un citadin, il court. Mhm. Parce qu'il se dit que ceux qui ont parlé sur telle radio ou telle télévision, il a été déjà arrêté parce qu'il a dit telle chose, telle chose. Mhm. Mais que eux, j'ai dit, mais eux, ils ont compris qu'à partir de la radio communautaire, c'est de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, mm. sans pour autant attaquer quelqu'un, sans pour autant insulter mm-hmm. quelqu'un. Tout ça, ils ont compris ça au niveau. Le président expliquait, c'est parce que peut-être au niveau communautaire, c'est le développement, la cohésion sociale qui est plus visée, alors que dans la ville, on a l'impression que ce qui fait exploser les choses, c'est cet aspect politique que les gens mettent euh, souvent à cause de l'actualité. Et même le respect, quand, je te parle même entre, entre toi et moi, dans l'éducation au niveau rural, c'est que je dois te respecter, je ne dois pas t'insulter. Et quand un site même, on le tape sur la bouche. Nous, on se, on se souvient. Donc, c'est, les gens qui parlent même doivent euh, contrôler ce qu'ils disent, ne pas offenser. Tu, tu, dis ce que tu penses, aussi dire ce qu'il pense. Mhm. Et ça doit concourir à, apporter des nouvelles idées pour aller au devant. Ce n'est mhm. pas autre chose. Ensuite, pour venir à ce que vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire Vous voyez, nous, on a fait introduire euh, un avant-projet de loi euh, sur le financement des radios communautaires. Ces radios ne mhm. bénéficient d'aucune subvention. Et quand il s'agit de mobiliser les, populations pour des vaccinations, par exemple, au niveau des stress, c'est les radios communautaires. Hein. Mm. Tout de suite, on dit, ah, sur la radio, telle, de telle date à telle date, la santé veut organiser des, des, des, vaccinations. Les gens, ils attendent le moment indiqué par la radio pour suivre ces vaccinations. Quelqu'un l'a dit, euh, nous avons une population d'environ 80%. Ça veut dire que forcément la radio compte à ce niveau. Oui. Donc le gouvernement doit être euh, regardant. Mhm. Les radios là qui contribuent au développement. Aujourd'hui, regarde, même les taxes, même quand nous on fait une facture de 50 000 pour un partenaire, on va nous prendre de TVA, on va nous prendre de 5% de Alors que nous, nous sommes en train de contribuer pour le développement de ce pays-là. Mhm. C'est un service public que nous sommes en train de faire. Mais on, on, réduit le, la facture jusqu'à ce que ça revienne à 30 000. Ça ne peut même pas payer un gardien. Mhm. Mais nous, on, on toujours, on se dit que mais si le travail, c'est comme si notre travail-là n'est pas reconnaissant mhm. vis-à-vis des autres. Il doit vraiment nous alléger la tâche mhm. de faire en sorte que ces radios-là, euh, les exonérer de, de, certaines taxes mhm. pour qu'on puisse contribuer à faire un travail responsable. Merci beaucoup. C'est une de vos attentes, euh, donc, euh, que vous soyez allégé du point de vue fiscalité. Souleymane Bra, secrétaire à la communication de la Maison de la Presse, comment la radio peut aider les citoyens à surmonter leurs différences et à œuvrer ensemble en faveur euh, de la paix au respect des libertés et droits de chacun qui ne peuvent être bien effectifs sans la paix. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre euh, <coughs> question, je voudrais un peu ajouter euh, là où les SGS s'est arrêté, c'est qu'il faut un peu dire ou disons ajouter, hein, c'est que les radios communautaires et associatives ont leur propre en fait, statut. Mhm. Elles sont créées et gérées par cette communauté. Donc c'est important parce que euh, je ne pense pas, elles n'ont pas de promoteurs, non, c'est ça les Donc elles sont créées et gérées mhm. par les communautés. Mhm. Donc c'est vraiment un comité euh, qui est mis en place pour en fait gérer. Euh, j'ai un peu rappelé, mhm. c'est-à-dire au-delà de l'importance ou de la mission de la, de la radio, il faut aussi aller vers les animateurs ou vers les responsables de ceux qui animent en fait ces radios. Les rôles les joue, c'est vraiment capital. Mm. Maintenant, euh, il faut renforcer leur capacité c'est-à-dire les capacités des animateurs. Je sais que la coordination de radio communautaire fait beaucoup de choses. Mm-hmm. Il faut l'aider, il faut vraiment encourager ce que la coordination est en train de faire. C'est important. Il faut aussi trouver un moyen de doter ces radios euh, vraiment des moyens matériels. Vous savez, les radios communautaires, à ma connaissance, ils ne font pas la publicité et l'information. Mhm. Donc, mais il y a des annonces. Euh, en fait, c'est ça, c'est pour la sensibilisation. De communiquer, où les gens payent quand même. Euh, bon, en tout cas, de leur statut, ils ne font pas de la publicité formelle, ou bien légal comme euh, on l'a dit, mhm. et aussi de l'information. Donc, il faut, ils, il, font vraiment des émissions de sensibilisation euh, sur les différentes Mais il y a de l'information dans le contenu, parce que j'avais, ils relaient en, fait en euh, les cas, chaînes internationales. En tout cas, de leur statut. Et beaucoup de chaînes. De Une chaîne internationale, pour qu'une radio puisse relier, il mm. faut une autorisation du Conseil de la communication. Et ça, pas, vous et ça, comme ça. Effectivement. Et, quand vous mm. parlez d'annonce, par exemple, quand un le le ministère de la Santé, à bon, l'UNICEF à travers le ministère de la Santé dit de passer un message de sensibilisation, pour que les populations se mobilisent autour d'une vaccination. Moi, je pense que... Ça, ce n'est pas de la publicité. Ce n'est pas de la publicité. C'est même pour le, pays que nous sommes en train de... Quand il y a un enfant qui est égaré, par exemple, vous faites ces petits communiqués. On fait le communiqué. Moyennant... je vais vous donner un exemple. Par exemple, un communiqué de décès. Nous, on prenait 150 c'est pour dire à celui-là que c'est malgré nous. Même mhm. les 150, c'est pour contribuer à payer hein. euh, mhm. d'autres choses. Mais, mais, que ce qui lui est arrivé là, mhm. vraiment, nous-mêmes, on compatit. <laughs> Merci donc, pour la précision. Donc, pour continuer, terminer. Oui, oui, euh, effectivement, parce que c'est pour en fait éviter un incident mhm. euh, qui s'est passé, Moussa, vous vous rappelez, au niveau de la région des Andes, la radio à où un technicien, par inadvertance, euh, n'a pas su qu'il a mis les prêches de Boko Haram. Mhm. Un moment. Donc, c'est pour dire que la formation, elle est capitale. Mhm. Maintenant, il faut effectivement trouver les moyens effectivement de faire en sorte que cette prise en charge au niveau des communautés puissent euh, puisse être garanti puisque c'est ça qui fait en sorte que euh, y a beaucoup de radios qui ne fonctionnent pas. Donc ça c'est important, Moussa, vraiment de faire ses plaidoyers. Maintenant, pour ce qui est des autres radios, comme les radios privées, et ça c'est la responsabilité effectivement de ces journalistes qui animent ces médias. Mhm. Ils ont euh, un code d'éthique et d'identologie ils ont une charte de journalistes professionnels. Ils sont tenus de respecter cette charte des journaliste professionnels Et dans, de, la charte, travailler la charte actuellement. la charte, c'est dit vraiment que les journalistes doivent quand même euh, d'abord d'avoir la véracité de l'information. Tout ça là, mhm. ça a été noté. Donc, si on respecte ça, on ne peut pas euh, en fait avoir des dérapages. Mhm. Et effectivement, comme les autres l'ont souligné, c'est ce qu'on constate surtout au niveau des médias privés où il y a effectivement des dérapages. Mhm il y a des, vraiment des, commentaires, des reportages où vraiment ça ne, veut pas, euh, ça, ça ne rime pas à ce qu'il y ait la paix et la cohésion sociale dans ces pays. Mhm. Et ça, c'est déplorable et c'est le rôle maintenant des régulateurs, effectivement, vraiment de rappeler euh, les uns et les autres à l'ordre. Mhm. Puisqu'il y a des sanctions et tout ce qui les ça textes dire Il y a des journalistes euh, qui ne font pas ce travail allant dans le sens de promouvoir la paix. Et, et, et que ce soit au niveau de la scène de la, au niveau des organisations socio-professionnelles, nous faisons de notre mieux, effectivement, pour chaque fois renforcer les capacités des journalistes, former, les former mhm. euh, par rapport à toutes les thématiques que vous connaissez. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, il n'y a pas mieux que la radio pour, euh, en fait, faire des émissions qui vont aller, qui vont aller dans le sens de sensibiliser euh, cette population parce que c'est ce canal qui permet à des milliers de gens d'écouter à la fois euh, ce qui se passe au niveau de cette radio. Quand on prend euh, par, par, exemple euh, la situation que nous vivons aujourd'hui, notre pays fait face depuis presque une décennie, à cette situation d'insécurité. Mhm. Vous prenez par exemple au niveau des régions comme Tilaberi, Difa, Tawa, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas être assis à Niamey sans pour autant être sur le terrain en train euh, de dire des choses qui ne sont pas en fait vraies. Or c'est lui, qui est, c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui vit la situation. Ce qu'il faut dire, Michel, c'est que les réseaux sociaux a permis à chaque utilisateur ou en tout cas à chaque usager, si tu as la connexion à l'internet, d'avoir accès à tout. Mhm. C'est-à-dire que tu as accès à la planète, au monde. Mhm. Et dans ça, toi, journaliste ou toi, animateur, tu as ta part de responsabilité. Mmh. puisque toi, on sait que tu as cette mission d'informer. Mmh. Donc, même si l'autre diffuse les informations sur ce réseau, soit toi, c'est un début pour toi d'aller effectivement approfondir, faire la recherche pour informer les citoyens, donner la vraie information mmh. aux citoyens. Mais tu ne peux pas aussi relayer sans pour autant vérifier. Et c'est ça que j'ai dit, les médias, surtout les radios, doivent vraiment promouvoir la paix, la mhm. cohésion sociale, faire en sorte qu'il y ait vraiment la tolérance, l'unité, les vivre ensemble, c'est important. Et pour ce faire, il faut vraiment effectivement faire des émissions, mhm. des émissions de sensibilisation. Ça fait partie de leur rôle, de leur cahier des charges. C'est dit, il faut vraiment faire ces émissions pour, euh, pour, euh, pour vraiment contribuer à sécuriser la paix et la cohésion sociale au Niger. Qu'est-ce que vous avez à dire alors par rapport à la responsabilité des hommes politiques euh, qui ont, il faut le dire aussi, parfois des propos qui ne vont pas dans ce sens Vous, mhm. savez, les hommes politiques, ils ne voient que leur intérêt, ils n'ont rien à voir. Moi, c'est ce que j'ai dit parce que euh, nous, en tant que médias, on a cette responsabilité de collecter et de traiter avant de diffuser. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme sur le net, venir mettre l'élément brut. en tête et c'est dans ce traitement, effectivement, que votre responsabilité est celle de votre média est engagée. Bien sûr. Maintenant, c'est ça, il faut, que j'ai dit, il faut quand même qu'on rappelle aux journalistes de respecter le code de et mais aussi la charte des journalistes professionnels. Mhm. On a des devoirs et des droits, mais si on les respecte, on ne peut pas avoir de dérapage. Mhm. C'est aux journalistes de faire son travail. Mhm. Maintenant, comme je l'ai dit, pour les radios communautaires, il faut aussi continuer ces actions de renforcement des capacités et trouver vraiment les, les, moyens de former les techniciens et les animateurs. Merci beaucoup, Monsieur Aboubakari Boukari Kiyokoudizé, journaliste euh, formateur. Euh, quelles sont aujourd'hui vos attentes et si vous avez un appel euh, particulier à lancer à l'endroit de cette nouvelle génération de journalistes en tant que personne expérimentée dans ce domaine, on le sait bien. Merci. Moi, j'ai toujours dit, peut-être que je suis optimiste de nature, qu'il euh, n'y a pas péril en la, la demeure. Euh, le professionnalisme, tout comme euh, la responsabilité, mhm. sont des apprentissages permanents. Mhm. on apprend toujours des choses. si en 1999, mhm. nous devrions nous préoccuper de réunir toutes les conditions techniques et professionnelles, je vais dire qu'à cette date, on n'aurait pas ouvert la première radio. Voilà, j'ai dit au départ, quand on avait dit qu'il n'y a pas de journaliste professionnel il n'y a pas de technicien formé, on fera appel au bénévolat. Mhm. quand on dit bénévolat, vous voyez déjà que euh, bon, ça peut stimuler un moment, mais à la longue, l'homme ne, ne vit pas que d'eau. Mhm. Donc il faut laisser les animateurs, ces techniciens, ont des charges familiales, il faut bien, euh, pour qu'ils soient disponibles à tout moment, il leur faut des revenus. Mais on savait qu'au-delà de l'enthousiasme des premiers jours, il y a ce défi. La technicité, on a dit, mais tout de même, on avait fait appel dès le départ à tous les partenaires qui étaient avec nous de prévoir un volet formation et perfectionnement du personnel, que ce soit l'ACMAD et le PNUD, hum. et plus tard la SNV néerlandaise qui nous a rejoints c'était la cinquième roue, mhm. donc avec P.A. son euh, mon ami Feu Kamed Abdoulaye, qui mhm. était leur euh, chargé de communication. Ancien ministre. Voilà. Donc, bah, en ce moment, il était responsable euh, de la communication à la SNV. Mhm. En 1999, il a été le gouvernement. Donc, on savait qu'il y avait des insuffisances. Mais c'est une aventure. Il faut, il faut se lancer là-dedans un moment. On ne va pas dire qu'il faut attendre que toutes les conditions idoines soient réunies pour commencer. J'ai dit, c'est un apprentissage et je pense que on a beaucoup appris et positivement. Au point où, à un moment, le Niger était, au niveau africain, le pays modèle en mhm. matière de radio communautaire. On peut nous dépasser ailleurs. On peut être dernier dans d'autres domaines. Mhm. Mais au niveau des radios communautaires, on s'est affiché mhm. comme le pays le premier en Afrique. Et c'est parti de, quelques bonnes volontés, tout simplement. Mhm. Donc, euh, on va revenir aussi sur quelque chose eh, qui ne doit pas être perdu de vue. La radio communautaire notamment, mais même les autres radios. Il mhm. ne faut pas les prendre comme des entreprises commerciales qui mhm. doivent chercher de l'argent à tout prix. C'est des services sociaux pour moi. Tout à l'heure, des exemples ont été donnés euh, accroître le taux de fréquentation des centres sanitaires, accroître le taux d'inscription des enfants à l'école, diminuer le vol de bétail ou le vol tout court dans la communauté, ce pas des, prestations que vous pouvez facturer. C'est des services publics. Il y a pas, on ne peut pas dire que ça a coûté 10 euh, millions, que ça a coûté 5 000, ça a coûté. Non. Euh, le communiqué de décès, auquel cas une chose qui vient d'être rappelé, euh, rappelée, mhm. son coût, ce n'est pas 150 francs. Monsieur Kyoku disait, il a dit, c'est que l'État ne soutient pas financièrement ces radios, selon vous, pourquoi Vous savez, euh, en 99, ce n'est pas que cet aspect de prise en charge des radios ait échappé, mais il nous fallait faire des compromis pour que l'État puisse accepter qu'on commence le lancement. Mhm. J'ai dit, si nous devions attendre que toutes les conditions soient réunies, l'État allait dire qu'il faut que ça soit dans le budget en, 2022 où nous sommes aujourd'hui, on n'aurait pas eu la première radio. Mais vous voyez qu'on a perdu du temps. 99-2022, ça doit faire quand même combien 23, ans. Si il faut mhm. attendre, on va encore attendre peut-être d'autres 23 ans. Parce que mhm. chaque jour, il y aura des, nouveaux défis qui vont se, se présenter et on va dire. À l'époque déjà, convaincre le gouvernement qui avait la peur réelle, mm. je comprends aujourd'hui avec le recul, peut-être qu'à l'époque j'étais au front, qu'on nous dise non, on ne peut pas permettre d'ouvrir des radios dans des communautés où il y a des intégristes musulmans, dans des communautés où il y a encore la rébellion Touareg. C'était ça à l'époque. C'était le mm. contexte. Et nous, on devait dire non. Euh, c'est avec le premier ministre que j'avais discuté que croyez aux populations. Mm-hmm. Faites confiance aux populations. Elles savent mieux que tout le monde ce qui leur convient, ce qui leur va. Mhm. Et j'ai même dit, au premier clash, j'accepte de démissionner. Alors que je ne suis pas sur le terrain. Mhm. Mais pour moi, l'animateur de radio de Banquilare, c'est mieux que le commis de Niamey, mhm. ce qui est important, ce qui est utile pour, la communauté, de Banquilare. Et j'ai dit en 2002, de manière publique, j'ai dit à, Bamako, c'est une rencontre internationale sur la radiocommunication, j'étais fier d'annoncer que en trois ans d'expérience, nous n'avons pas reçu une seule plainte provenant d'une radio communautaire parce que, parce que, parce que. Nous sommes déjà pratiquement à la euh, fin de ce pour, Pour finir, moi, je pense que, les conseils que vous avez à prodiguer à l'ensemble de ces acteurs de euh, radio, pas seulement les radios communautaires, pour tout le mais monde, également. C'est l'appel à deux notions importantes, c'est le professionnalisme, et c'est le sens de la responsabilité. Sens de la responsabilité. Quand on est dans un micro, on parle à une communauté, on ne parle pas à une seule personne. On mhm. parle à des milliers, voire à des millions de personnes. Parmi ces personnes, vous avez vos propres parents, vous avez vos amis, vous avez des gens que vous connaissez pas. C'est un tout. Donc ce tout mérite respect. Merci ce Tout mérite considération. Chers auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Le thème débattu est la radio, quelle contribution à la promotion de la paix au Niger. Nos invités ont donc euh, appelé au respect du professionnalisme et au sens de responsabilité, comme l'a dit M. Kyokudize. Les autres euh, ont appelé au soutien de ces radios. Nous avons également un appel au respect de la charte des journalistes, c'est-à-dire le respect de l'éthique et la déontologie dans la pratique de ce métier. Il faut viser l'intérêt général donc euh, pour que la radio puisse davantage continuer à jouer pleinement son rôle de développement mais également de promotion de paix au Niger. Nous étions en compagnie de monsieur Aboubakari Kyo Koudizé, journaliste, formateur, euh, ancien président de l'Observatoire national de la communication, actuel euh, Conseil supérieur de la communication. Il est également écrivain. Notre deuxième invité est M. Hassan euh, Moussa. Il est secrétaire général de la coordination nationale des radios communautaires du Niger. Et enfin, Souleymane Bra, secrétaire à la communication de la maison de la presse. Merci à vous, chers invités. À la technique, c'était Issa Loli. À la modération de ce forum. Je suis Michel DJ. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.